Le Conseil des ministres se réunit ce jour, jeudi 14 octobre 2021, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Décision importante du Conseil des ministres du jeudi 14 octobre 2021. Gouvernance diplomatique. Après l'analyse des différents postes d'attachés dans les ambassades et de l'opportunité de leur maintien, il s'avère que les postes d'attachés des ministères suivants doivent être supprimés. Ministère en charge du commerce, ministère en charge de la culture, ministère en charge de l'information pour ce qui est des attachés des ministères en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, une rationalisation s'impose. Ainsi, le nombre d'attachés médicaux est ramené de 7 à 3 et celui d'attachés académiques de 20 à 8. La situation des attachés des ministères en charge de la défense, de la sécurité et du ministère en charge des finances fera l'objet d'une décision ultérieure.